Donc nous, avons devant nous un, un, shérif authentique. Shérif Sid Ahmed, nous le connaissons nous tous. Il est déjà venu ici, machallah il nous avait trouvé à la Grande Mosquée de Paris. Il y avait tous les frères. Il avait fait un discours vraiment mémorable qu'on n'oubliera jamais. Donc c'est son père. Et machallah euh, c'est un grand de la tariqa qui, aime cette Nacher et qui protège la tariqa partout. Et même surtout à la Zawiya, euh, il s'occupe de tout et il protège bien euh, notre bien-aimé Cheikh Ahmed Tidiane. Donc c'est son fils qui qui est là C'est bon. C'est bon. Oui, oui, Bismillah, Sayyidina, il dit Bismillah ar-Rahman rahim et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que il commence par vous faire part de son de, de tout ce qu'il sent comme euh, euh allégresse et contentement de, se trouver en, face de, en face de disciples de Ahmed Tijani, Il a dit que il voit en vos visages la présence de Cheikhna Ahmed Tijani, alhamdulillah. Parce que vous, pardon, l'héritage ah, il dit que, en fait, vous représentez et dignement l'héritage de Cheikh Ahmed Tidjani. Chaque disciple qui est là, c'est un ambassadeur de la tariqa, c'est un ambassadeur de Cheikh Ahmed Tidjani. En tant que disciple de Cheikh Tijani, vous devez vous montrer premièrement digne de Cheikh Tidjani. Ah, il dit que, avant tout, en tant que disciple de Cheikh Ahmed Tidjani, nous devons être dignes de représenter ce grand homme qui est Cheikh Ahmed Tidjani. Vous entendez parce que être disciple de Cheikh Tijani c'est avant tout un fardeau. Il dit que euh, être disciple de Cheikh Ahmed Tijani, avant d'être un privilège, c'est un fardeau, c'est une charge. Mais si on continue à porter ce fardeau-là, on, on, arrive à un point où personne ne pourra nous atteindre. Il dit que c'est un fardeau qui est lourd, c'est une charge lourde. Mais si on continue à porter ce fardeau-là, on finira à atteindre, par atteindre une station, un degré, un niveau que personne ne pourra nous atteindre. Personne ne pourra nous suivre. Et ça, c'est par la garantie du prophète sallallahu alayhi wa Et ça, c'est une garantie du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa Qui a dit à Sayyidina Ahmed Tijani en état de veille. non pas en, rêve. Euh, il a, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'état de veille, c'est pas un rêve, hein, c'est pas une imagination. Il lui a dit, tes disciples sont mes disciples, tes élèves sont mes élèves, tes pauvres sont mes pauvres. Tes, indigents sont mes indigents. Et il lui a également dit euh, le, le, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikh Tijani aussi, il lui dit, les plus grands des pôles ne pourront jamais, jamais, jamais avoir une, même une idée de, la station de tes disciples. amoureux de Cheikh on est censé le défendre. Mais avant, il est de notre devoir de le présenter de la manière qu'il se doit. Il dit que, donc, euh, en ayant une grâce de cette, de cette envergure, avant tout, nous devons être des représentants dignes de Cheikh Ahmed Tijani, en montrant le bel, un bel exemple, un exemple vraiment qui attire, jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir l'intention de découvrir, d'aimer et de se rapprocher de, se rapprocher de Ahmed Tijani. La meilleure façon d'appeler les gens vers cette mère qui est Cheikh Ahmed Tijani, c'est le, c'est le fait de, bien se comporter. Parce que nous, avant tout, Alhamdulillah, on a été Il dit que, Alhamdulillah, avant tout, il faut savoir que nous sommes des élus. Nous avons été choisis. Parce que cette chance-là qu'on a eue de suivre Cheikh Ahmed c'est une chance que, pas tout le monde a eue. Il dit que le fait de connaître, d'aimer, de suivre, de s'engager dans la voie de Cheikh Ahmed Tijani, c'est une faveur. Et tout le monde n'a pas ça. De gloire. Parce que, comme on dit dans le soufisme, il dit que, comme disent les maîtres soufis, euh, oh, celui qui vient vers nous, sache que le fait que tu viennes à nous n'est pas de ton ressort. En fait, c'est nous qui venons, c'est nous qui vous avons appelé avant que tu, tu viennes même. Le fait de venir, ce n'est pas toi, mais c'est nous. Donc si on, vous, euh, on, voudrait, même les pires ennemis seraient à, nos côtés. Mais euh, euh, le, fait que vous soyez à, nos côtés, c'est un choix vraiment qui dépasse le, temps et l'espace. Et il dit, les maîtres soufis, ils disent, celui qui se détourne de nous, Sache que ce détournement, le fait que tu, tu, tu, nous aimes pas, tu ne suives pas, tu ne nous cherches pas, cela... Hein? Tu nous fuis. le fait que tu nous fuis, hein? ça ce n'est pas de toi, mais c'est de nous. Mm. Parce que ce choix-là dépasse le temps et l'espace. Donc vous, alhamdulillah, vous avez eu ce privilège de suivre Cheikh Ici, il dit que, nous avons ce privilège, cette faveur, cette chance de suivre Cheikhna Ahmed Tijani. Et Na Ahmed Tijani n'est d'autre que la porte principale vers le prophète sallallahu alayhi ah, Il dit que euh, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, anhu, il n'est d'autre que, autre que la porte la plus proche vers le prophète Sayyidina Muhammad. La porte principale, la porte ultime, unique vers le prophète Muhammad. il y a d'autres portes, mais Cheikh Ahmed Tijan, c'est la porte la plus proche et la plus grande vers Il dit que certes, il y a d'autres portes, mais Sidna Cheikh est la porte la plus proche, mais aussi la plus grande. Donc, euh, elle peut recevoir toutes les foules. Tout le monde rentrera sans problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est d'autre que l'unique porte vers le bon Dieu. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que l'unique porte qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, nous, en prenant ce chemin-là, on est sûr d'avoir pris le chemin le plus court vers le bon Dieu. Il dit que nous, en prenant le chemin, la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani, on est sûr et certain que nous avons pris la porte, la voie le plus court, le plus rapide et le plus sûr. Et ça, c'est donné par Dieu. Et ça, c'est une faveur divine, c'est Dieu qui donne ça. Nous, on n'a rien fait pour avoir ce chemin-là. Nous, on n'a rien fait pour, pour mériter tout cela. Pour mériter ça. Nous, on n'a rien fait pour, pour, avoir ce privilège de suivre ce chemin-là. Il dit que nous, on n'a rien fait comme effort pour, pour, avoir ce, euh, euh, euh, pour, suivre Cheikh Ahmed Tijani. C'est un don divin. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme tout ce qu'on a reçu comme tout ce qu'on a pu recevoir. Durant toute notre vie. Durant toute notre vie. Depuis notre naissance. Depuis notre naissance. Depuis le premier bouffée d'air qu'on a, qu'on a respiré. Depuis notre première respiration. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui là. Tout ce qu'on a eu, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'on a eu, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les vêtements qu'on porte là. Même les vêtements qu'on porte. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui nous a gratifié de cela. Mais à un moment donné. Mais à un moment donné il faut se poser une question. Il faut se poser une question. Nous, qu'est-ce qu'on a donné au bon Dieu Nous, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fait pour le bon Dieu Qu'est-ce qu'on lui a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour lui Qu'est-ce qu'on lui a donné Qu'est-ce qu'on euh, lui a donné Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Même les choses qu'il nous ordonne de faire. Même les choses qu'il nous ordonne, qu'il nous demande de faire. Comme prière. Comme prière. Ou bien le jeûne. Ou bien le jeûne ou bien la zakat. Tout, ça, tout ça c'est pour notre bien. C'est pour nous, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Et comme preuve Et comme preuve Est-ce que si nous, on arrête de prier Est-ce que si nous, on arrête de prier Ça va changer quelque chose pour le bon Est-ce que ça va changer quelque chose pour Allah Non, Wallah. Non, Wallah. Si nous, on arrête de faire le hajj Si nous, on arrête de faire le hajj va changer quelque chose pour Allah Est-ce que ça va changer quelque chose pour Allah Non. Donc nous, en tant qu'êtres misérables. Nous, en tant qu'êtres misérables. Et pauvres devant le bon Dieu. Et pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et impuissants devant Allah. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Rien du tout. Rien du tout. même quand on veut remercier le bon Dieu. Même si on veut remercier le bon Dieu, on est incapable. On est incapable de vraiment le remercier. Parce que comment, comment nous, de nos jours, on remercie le bon Dieu Parce qu'il se demande comment nous, de nos jours, comment on remercie le bon Dieu. C'est une question pour vous. Comment vous remerciez le bon Dieu Il demande, il pose la question à tout le monde. Comment vous, vous remerciez le bon Dieu Nul n'a une, autre manière que dire Alhamdulillah. Nul n'a une autre manière de remercier Allah que de ne dire Alhamdulillah. Mais même le fait de dire Alhamdulillah. Même le fait de dire Alhamdulillah. Qui nous l'a appris Mais qui nous a appris à dire Alhamdulillah Qui nous a appris à remercier le bon Dieu Qui nous a inspiré à remercier Allah C'est Allah même. C'est Allah même. Donc il nous a donné le ni'ma. Il nous a donné la faveur. Et il nous a appris à le remercier. Et il nous a appris encore à le remercier. Et encore plus que cela. Et encore plus que cela. Si moi je veux remercier le bon Dieu, par exemple. Si moi je veux remercier le bon Dieu, par exemple. Pour le fait d'être en vie. Pour le fait d'être en vie. Ou bien pour le verre de bissap. Ou bien pour le verre de, de Parce que ça aussi, c'est une du bon Dieu. Et ça aussi, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je veux remercier Dieu pour ça, je dis quoi Si je veux remercier Allah pour ça, qu'est-ce que je dis Je dis Alhamdulillah. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais qui m'a appris et inspiré en ce moment même pour remercier le bon Dieu Et mais qui m'a appris et inspiré même en ce moment pour dire Alhamdulillah c'est Dieu même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Eh, mais moi, je l'ai remercié qu'une seule fois pour le, pour, le Moi, je l'ai remercié une qu'une seule fois pour cette euh, faveur, cette ni'ma. Donc, à chaque fois que je dis Alhamdulillah pour n'importe quelle raison, et chaque fois que je dis Alhamdulillah pour n'importe quelle raison, je dois le remercier encore une fois parce qu'il m'a appris et inspiré de le remercier en première place. Ah, je dois le remercier pour la ni'ma, la faveur, mais je dois aussi le remercier pour le fait qu'il m'ait inspiré le fait de le remercier. C'est donc, donc deux remerciements pour une même action, pour une action unique. Mais même la deuxième fois qu'on remercie le bon Dieu. C'est là il dit, même la deuxième fois qu'on remercie Allah. C'est qui qui m'a inspiré pour le remercier une deuxième fois C'est qui qui m'a remercié encore pour le remercier pour une deuxième fois C'est lui-même encore. Donc même si je passe toute une éternité. Même si je passe toute mon existence, toute l'éternité bien avant ma naissance et jusqu'à après ma mort. Bien avant ma naissance, même après ma mort. À dire Alhamdulillah uniquement pour ce verre de bissap. À dire Alhamdulillah uniquement pour ce verre de bissap. Jamais je ne le remercierai comme il faut. Jamais je ne le remercierai assez comme il le faut. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce verre de bissap pour montrer à quel point on est impuissant devant le C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de ce verre de bissap pour montrer comment nous sommes tellement impuissants devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. tout reçu de sa part. Donc il dit que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'est même pas capable de le remercier. On n'est même pas capable de le remercier. Et ça, c'est comme si ce n'a pas été suffisant. Et ça, c'est comme si ça n'a pas été suffisant. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a encore guidés vers l'islam. Et il nous a permis de suivre il nous a permis de suivre le, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Et comme si tout cela encore n'a pas été suffisant. Et comme si cela, tout cela n'était pas encore suffisant. Il nous a envoyé Il nous a envoyé notre maître Cheikhna Ahmed Tijani radiallahu ta'ala. Donc nous, nous, en tant qu'êtres humains, impurs, pécheurs, impuissants, on a tout reçu du bon Dieu. Il dit que nous, en tant qu'êtres humains, impuissants, pécheurs, misérables, on a tout reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'est même pas capable de le remercier. Et on n'est même pas capable de le remercier. Et on, est, on cherche toujours. Et on cherche toujours. Alors que nous, tout ce qu'il nous faut, c'est comprendre et savoir qu'on a déjà tout. Et nous, tout ce qu'il nous faut, c'est de savoir et de comprendre que nous, on a tout. Parce que déjà, on n'a rien payé en contre-change. Parce que nous, on n'a déjà rien payé en, échange. Donc si on reçoit quelque chose, si on reçoit quelque chose, on va dire Alhamdulillah. Rabbil On va dire Alhamdulillah. Si on reçoit pas la chose là qu'on veut, si on ne reçoit pas la chose qu'on cherche, on doit quand même dire Alhamdulillah. On doit dire quand même Alhamdulillah. Parce qu'on a reçu d'autres choses. Parce qu'on a déjà reçu d'autres choses. Et puis nous, en tant qu'êtres humains, aussi misérables qu'on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour le bon Dieu Alors que lui, il nous a tout donné. Il nous a donné tout cela. Tout ce qu'on a reçu, c'est lui qui nous a donné. Nous, tout ce qu'on demande, c'est encore et encore et encore. Mais si le jour vient où on comprend qu'on a déjà tout, c'est là le véritable iman. Ah, Sedna, il dit, on atteindra vraiment le, véritable iman, la véritable foi, hein, le summum de la foi, on l'atteindra quand on saura avec certitude que on cherche tout, on demande tout, on, tend toujours les mains, mais tout, on a tout. Le jour où l'on saura avec certitude qu'on a tout avec nous, ce jour-là, vraiment, on a atteint al Parce parce que Dieu il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a même créé tout ce monde-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a créé tout ce monde pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour que Dieu portait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut même pas le comprendre. Parce que l'amour que le prophète, euh, que Allah subhanahu wa ta'ala porte pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut l'imaginer. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait demandé quelque chose à Allah, est-ce qu'il lui aurait refusé ça Si le prophète Mohammed aurait demandé quelque chose à Allah, est-ce qu'Allah aurait refusé cette chose-là Non, jamais. Non, jamais. Wallahi. Wallahi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il avait, est-ce qu'il était décédé riche Est-ce qu'il était décédé il, il était décédé riche Non. Non. Pourtant, il avait tout le monde sous ses mains. Parce qu'il avait tout le monde sous ses mains. Il n'avait qu'à demander au bon Dieu. Il n'avait qu'à demander à Allah. Et comme Imam Boussiri dit dans la Bourda. Comme Imam Boussiri radiallahu anhu dit dans la Bourda. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses moments les plus difficiles de sa vie, il sortait euh, à côté des montagnes à la Mecque. Et les montagnes lui parlaient. Hein? et lui disait, ô envoyé d'Allah, pose ta main sur nous et sur le champ on devient or et diamant. Et tu nous vends et tu deviens le plus riche du monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, merci de votre compassion, mais je n'ai qu'Allah Allah et Allah me suffit. Voilà. Donc, Allah, pourquoi il a accepté de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de laisser le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu sallam dans cet état de pauvreté. Alors que lui, il l'aimait. Alors que lui, il l'aimait. Donc ça, le fait que Allah l'aime et ne lui a pas donné toutes ces, ces choses-là, ça prouve que ces choses-là, c'est du mal. Il dit que si Allah aime le prophète, et tout le monde sait qu'Allah aime le prophète, et qu'il ne lui a pas donné toutes ces choses-là, parce qu'il y a quelque chose qui se cache dans ces choses-là. Parce que nous, également, on sait que Dieu, il nous aime. Nous, Également, nous savons que Dieu nous aime. Sinon, il ne nous aurait même pas créé. Sinon, il ne nous aurait même pas créé. Et comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, et comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, ce hadith Qudsi, je le considère comme, comme un manuel de vie. Ce hadith al-Qudsi, hein, hadith qudsi c'est une parole du prophète, qui vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, c'est comme le Coran, mais on ne prie pas avec. Ce qu'on appelle Hadithul Qudsi. Il dit que ce Hadithul Qudsi là qu'il veut nous euh, raconter, qu'il veut nous dire là tout de suite là, c'est comme un manuel de, de vie. Tellement il y a des enseignements dedans. Si on s'attache à lui, si on, s'attache à lui, on est sûr qu'on jamais on se perdra. C'est sûr qu'on qu se perdra jamais. Dieu a dit Bismillah Je vais le lire en arabe. si vous voulez, je peux le traduire. Non, comme vous voulez. Bismillah, je vais le faire en arabe. Yaqulullah azza عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا Traduisez parce que c'est un ouais. <laughs> euh, Il dit, euh, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Najibril lui a dit que Dieu a dit que, dit aux gens, dit au fils d'Adam, Yabna Adam, au fils d'Adam, ne crains jamais celui qui a le pouvoir. Tant que mon pouvoir est là, qu'est-ce que ça signifie Donc ne crains rien, ne crains personne, parce que mon pouvoir restera éternellement. Ah, je crois que c'est ça, non Il dit au fils d'Adam, hein, ne crains jamais quand ta, euh, ta, ta provision Hein, le risque, Tant que mes magasins, euh, mes coffres resteront pleins, et tout le monde sait, que jamais, jamais, les, sources des, des trésors d'Allah ne tariront jamais. Ils ne vont jamais tarir. Ô fils d'Adam, ô homme, je t'ai créé pour que tu m'adores. Donc ne passe pas ta vie à jouer. Et je suis garant de ta provision. Donc, ne te fatigue pas. Même si tu cherches, cherche avec la dignité. <laughs> Il dit, ô fils d'Adam, j'ai créé les sept cieux et les sept terres et je les ai créés sans difficulté. Crois-tu que ce sera difficile pour moi d'acheminer vers toi ma, ta provision C'est plus difficile de créer la terre, les terres, le ciel, les cieux, que de t'acheminer ta, ta, part dans, dans, dans les provisions. Allah, Allah, Allah, Allah. Il dit, il dit, Allah, il jure par sa noblesse et sa majesté. Il dit, si tu te suffis à ce que je t'ai donné, sur le champ, je vais mettre la quiétude dans, dans ton cœur et dans ton corps. Donc tu seras heureux visiblement et intérieurement. Et tu seras parmi les bien-aimés, mes bien-aimés, hein, tu seras parmi mes amis, mes bien-aimés. Qu'Allah nous fasse partie de ce, ce groupe-là, hmm. Inch'Allah. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك أيوة سيدنا إلدي Allah, il dit, je jure encore par ma noblesse, par ma force et ma majesté, que si, tu ne te suffis pas de ce que je t'ai donné, je vais mettre le, le dunya sur ton dos, c'est-à-dire la vie sur terre sera un fardeau. Tu, tu te fatigueras toute ta vie. Tu seras comme un animal dans dans la jungle, dans la forêt. Un qui court dans la savane. Euh, que tu seras comme un, animal sauvage qui, court dans la, savane. Et, et tu n'auras, malgré les, la, la, fatigue, malgré les efforts que tu fais, malgré tout ce que tu fais, tu n'auras que ce que j'ai décrété pour toi. Donc sois digne. Allah, Allah. Il dit au fils d'Adam, j'ai un amour pour toi au moins pour être reconnaissant à mon égard mais euh, que, je sois aussi ton, ton bien-aimé, ton ami. Euh, vous comprenez un petit peu hein? Tu es mon ami. Donc, ne serait-ce que par réciprocité, tu dois être mon ami. Hein? donc donc nous qu'est-ce qu'on est Sedna il dit nous qu'est-ce qu'on est on est qui pour que Dieu nous aime ah c'est la question wallahi on est qui pour que Dieu nous aime on a lui a rien fait on, ne lui a rien offert on n'a rien fait pour lui on lui a rien offert et malgré tout ça il nous a créés et malgré tout ça, il nous a créés. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et en plus de cela, il nous dit je vous aime. Et en plus de cela, il, nous dit, je vous aime. Ça, cette parole, Dieu ne l'a même pas dit aux anges. Cette parole, Dieu ne l'a même pas dit aux anges. Donc, quelle est cette raison qui, nous fait, qui fait de nous les préférés du bon Dieu Quelle est cette raison qui fait de nous les préférés d'Allah, subhanahu wa ta'ala C'est parce que nous, Dieu, il nous a donné ce choix. Parce que Dieu nous a donné ce choix. Le choix de, de l'adorer. Le choix de l'adorer. Parce que eux, les anges, Dieu les a créés des créatures qui ont de raison, mais qui n'ont pas de shahwa. Hmm. Il dit que les anges, c'est comme des robots. Ils peuvent ne pas adorer Allah. ils ne peuvent pas ne pas adorer Allah. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent qu'adorer Allah. C'est comme des robots. Dieu les a créés comme ça. Dieu les a créés comme ça. Et il a créé les animaux qui ont le shahwa mais qui n'ont pas de raison. Il a créé après les anges, les animaux qui ont euh, ce qu'on euh, l'instinct euh, et ils n'ont pas de raison. Mais il a créé l'être humain qui a les deux. Il a créé ensuite l'homme qui a les deux. Donc, si l'être humain néglige son instinct et suit sa raison, il se rapproche des anges. Si l'être humain néglige, affaiblit son instinct et suit sa raison, il se rapproche, il se rapproche de, euh, des, des, des, euh, des anges. C'est ça. Et s'il fait le contraire, il néglige sa raison et suit son instinct, Et s'il fait le contraire en négligeant sa raison et en suivant son instinct, il se rapproche hein, des animaux. Donc Dieu, nous, il nous a donné le choix, alhamdulillah. Et nous, Alhamdulillah, nous avons le choix, nous, pouvons choisir. Chose qu'il n'a pas fait pour les anges ni les animaux. Chose qu'il n'a pas faite n'a pas fait pour les anges ni pour les, euh, pour les animaux. Et ça preuve que Dieu, il a donné un grade de plus à l'être humain. Et ça, ça c'est la preuve qui montre que Dieu a donné un plus à l'être humain. Mais même quand on tourne, on dit un grade de plus, premièrement, sur qui Et deuxièmement, pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce grade ah, Il dit, euh, cette faveur, ce, euh, privilège-là, on, doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter cela Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se montrer digne. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est se montrer digne. Certes, même si on néglige notre instinct et on suit notre raison, jamais on pourra atteindre les, anges. Jamais on, on, sera un ange. Même si on affaiblit on néglige notre instinct et, nous, en suivant notre raison, jamais, jamais on pourra atteindre hein, les anges. Parce que Dieu, avant tout, il nous a créés comme des hommes pécheurs. Parce que Dieu nous a créés comme des hommes pêcheurs. Si Dieu, il voulait qu'on ne pêche pas, il nous aurait créé des anges. Si Dieu voulait, qu'on fasse pas de péché, il nous aurait créé anges. Mais c'est parce que l'existence de ce monde on souhaite est un examen. Parce que c'est parce que l'existence en ce monde-là, en réalité, c'est un examen. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est suivre la référence pour passer cet examen. Ah, il dit que cette épreuve-là, on peut, on peut la réussir qu'en suivant hein, la référence ultime. Et nous, notre référence, alhamdulillah, c'est premièrement le Coran notre référence, premièrement, c'est le Coran. Deuxièmement, le Sunna. deuxièmement, la tradition du prophète Sidna Mohammed. Et troisièmement, la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani. Et troisièmement, la tariqa de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Si on suit ces références-là. Si on, suit ces références-là. On est sûr de pouvoir passer. On est sûr de pouvoir passer. Et ça, c'est par la garantie du prophète sallallahu Et ça, c'est une garantie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Alors tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de s'accrocher à notre tariqa. C'est de s'accrocher à notre tariqa. S'accrocher à l'islam. S'accrocher à l'islam. Et continuer de dire Alhamdulillah. Et continuer de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que nous au moins. Parce que nous au moins. On a une référence. On a une référence. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Qui sont plus que perdus. Qui sont plus que perdus. Ils ne sont même pas conscients. Ils ne sont même pas conscients. Qu'on est dans un examen. Euh, qu'on est dans un examen. Donc vous, les tijanes, nous, les tijanes, on doit être les plus qui remercient le bon Dieu. On doit être euh, les hommes qui, sont qui remercient le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, faire en sorte de faire connaître aux gens que là, on n'est que de passage. Et d'expliquer, de, de, faire connaître aux gens que en réalité, nous sommes des passagers. Mais expliquer ça, pas par la parole. Expliquez ça, pas par la parole. Parce que la parole, ça peut atteindre les oreilles, mais ça, ça peut sortir. Il dit que la parole, ça peut atteindre les oreilles, mais ça peut sortir par l'autre aussi. Mais les gestes, ça atteint directement le cœur. Mais le bon comportement, les gestes, ça peut atteindre directement le cœur. Et ça ne sort pas. Et ça, ça, ça c'est gravé dans le cœur, ça ne sort pas. Nous, on n'a qu'à suivre le conseil de Cheikh Ahmed Tijani. Nous, on n'a qu'à suivre les conseils de Sayyidina Cheikh Tijani. Du prophète sallallahu, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, le jour du jugement. Comme ça, le jour du jugement. Quand Dieu, il vous, il vous, il vous demandera. Quand Dieu vous demandera comment vous avez passé votre vie, comment vous avez passé votre vie, vous allez dire j'ai passé ma vie à suivre le prophète. Vous allez répondre que vous avez passé votre vie à suivre le prophète sallallahu alayhi wa vous ne voyez pas, même si vous ne le voyez pas, même si vous, vous, vous savez, vous le voyez pas à côté de vous, même si vous ne le voyez pas à côté de vous, lui il vous voit. Lui, il vous voit. Et la preuve Et la preuve C'est que le hadith Qudsi le, le, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le, le, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand il était assis avec les sahaba. Quand il était assis avec les sahaba. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et là, Sayyidina Abu Bakr, il lui demande. Et Sayyidina Abu Bakrin lui demande. Qu'est-ce qui t'arrive, ô envoyé d'Allah Il lui dit, ila Il lui dit, mes, mes, mes amis, mes bien-aimés me manquent. Mes bien-aimés, bien-aimés me manquent. Mes bien-aimés me manquent. Et là, les Sahaba lui demandent Et les Sahaba lui demandent ah, Ne sommes-nous ne, nous pas tes bien-aimés envoyés d'Allah Il dit non. Le prophète leur dit non. Vous, vous êtes Vous, vous êtes mes compagnons. Mais mes bien-aimés, c'est des gens qui vont venir après moi. Ils vont croire en moi. Et ils ne m'ont jamais vu. Donc si le prophète C'est nous. Dites Alhamdulillah. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avait dit à ses accompagnants. Avait, dit à, aux gens qui l'accompagnaient. Mes bien-aimés me manquent. Mes bien-aimés me manquent. On peut pas, quelqu'un qu'on n'a pas vu, il ne peut pas nous manquer. Quelqu'un qu'on n'a pas encore euh, déjà vu, ces personnes-là ne peuvent pas nous manquer quand même. si nous manquons au prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans, si vous connaissez un parent? un. waaw waaw jërëjëf waay barikalla waaw góor barikalla ah dégg ngeen li mu wax neex na rek ah ndeysaan wallahi Néna, si le pro <laughs> man damaa bég ba fi ne nii xamatuma li may wax lii neex na ndeysaan le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba, mais mes bien-aimés, ils me manquent. Ils lui disent, mais ne, sommes-nous pas tes bien-aimés il, leur dit, vous, vous êtes mes compagnons. Mes bien-aimés, c'est des gens qui vont venir après moi. Ils vont croire en moi et ils ne m'ont jamais vu. Sidna, il dit, oh, quelque chose que tu n'as jamais goûté, quelque chose que tu n'as jamais vu, ça ne peut pas te manquer. il dit, Sidna, il dit, là on comprend que le prophète, il nous connaît nous tous. Alhamdulillah. Hein? <laughs> Alors que nous, je reviens sur le point, on est tellement impuissant, <laughs> hmm. on est tellement on est tellement rien qu'on peut même pas prier sur le prophète alayhi wa on est tellement faible qu'on peut même pas prier sur le prophète alayhi wa sallam. Quand vous voulez prier sur le prophète sallallahu alayhi wa qu'est-ce que vous dites quand, vous voulez prier sur le prophète Mohammed qu'est-ce que vous dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Vous demandez à Dieu de prier sur le prophète. Nous demandons à Dieu de prier sur le prophète. Et nous accorder ce privilège-là. Et, nous nous accordons ce privilège-là. Donc on est tellement impur, tellement impuissant qu'on peut même pas remercier le bon Dieu ni prier sur le prophète On est tellement impur, tellement faible, tellement impuissant qu'on ne peut pas remercier Dieu. Il a bien expliqué. Mais on ne peut même pas prier sur le prophète jusqu'à ce qu'on demande à Allah de se substituer à nous pour prier sur le prophète Mohammed. Et on voit les gens qui sont en train de se vanter et dire moi, moi, moi. Mais on est qui on ah, est quoi euh, Il dit que on voit les gens qui se vantent partout. Ils disent moi, moi, moi, nous, nous, nous, nous. Mais on est qui On n'est absolument rien du on tout. On n'est absolument rien du tout. Et en plus de ça, les gens, moi je le dis souvent, plus les gens, ils savent, plus ils savent qu'ils ne savent rien. Sedna, il dit, plus les gens, ils savent, plus ils savent qu'ils ne savent nada. Parce que si on connaît Dieu vraiment, si on connaît Dieu vraiment, et on connaît la véritable raison de notre existence, on connaît la véritable raison de notre existence, on sait que nous et les insectes, ou bien les, trucs qui rôdent sur la terre, on est pareil. On va voir que nous et les autres créatures, on est pareil. C'est pas parce que nous, Dieu nous a donné un peu plus de force qu'on est meilleur qu'eux. C'est pas parce que Dieu nous a donné plus de force qu'on est meilleur que. C'est pas parce que Dieu nous a donné plus de temps sur terre qu'on est plus meilleur que. C'est pas, pas parce que Dieu nous a donné plus de temps sur terre qu'on est meilleur que. Nous les deux, on est des créatures d'Allah. Nous tous, nous sommes des créatures d'Allah. Et nous les deux, on est juste deux passages sur cette terre. Nous tous, nous sommes des passages sur terre. Lui, il a un point de plus, c'est que au moins lui, il ne sera pas jugé. Lui, il est plus zen, plus tranquille, parce qu'il ne sera pas jugé. Il sait que euh, dès que, son temps passera sur cette terre, il est directement dans le paradis. Il sait que dès qu'il passe son temps sur terre, il est directement au paradis. Mais nous, si on ne s'accroche pas à Cheikh est-ce que quelqu'un hmm. peut me dire qu'il sera dans le paradis Si nous, on ne s'accroche pas à Cheikh quelqu'un, est-ce qu'il peut me certifier tout de suite là qu'il ira au paradis Personne. Personne. Mais, le, prophète nous a certifié que si on suit le chemin de Cheikh on sera dans le paradis. Le prophète nous a certifié que si on suit la voie de Cheikh on sera au paradis. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus nous, qu'est-ce qu'on veut de plus On a tout. On a tout. On a carrément tout. On a carrément tout. On sait que Dieu, il nous aime. On sait que Dieu nous aime. On sait qu'il nous a tout donné gratuitement. Il nous a, il a, il nous a tout donné tout gratuitement. en plus de ça, il nous a guidé vers l'islam. Il nous a guidé encore vers l'islam. Guidés vers la tariqa. Vers la tariqa tijaniya. Tout ça sans rien du tout. Et tout ça, on n'a rien donné, on n'a rien payé, gratuitement. Qu'est-ce qu'on veut de plus maintenant Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Tout ce qu'il nous reste, c'est de dire Alhamdulillah Tout ce qu'il nous reste, c'est de dire Alhamdulillah Alamin. Alors remercions Dieu. Donc tout le monde, que tout le monde dise Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi. incha allah incha allah donc Seydina nee na ñu ñaan ñun ñëpp ngeen yéene seen i soxla. Thierno Hadj Moustapha amul looy kii. waaw. سيدي مصطفى جوتلين سين هدية ينيب سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى شريف سيدي مصطفى ñaanal julit yepp inshallah yalla fa xali kon ñun ñepp nañ talal loxo yene suñu aajo zaay rek baati defaru adna ka laxe amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين قال اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ما سبق ناصر الحق والهادي الى امين اله حق قدره امين يا رب العالمين صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير امين وتغلق بها عنا ابواب الشر والتيسير امين امين تكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا آمين المولى صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بقولك للشيء كن فيكن يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين